Yeah, Kalangu, Kalangu. Nous sommes à dimanche 26 décembre 2021. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de l'actu des jeunes. Je suis Samira Rafi et toujours en compagnie de Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment tu vas Très bien Sami, quoi de neuf aujourd'hui Aujourd'hui, restons à Niamey pour parler du festival de cinéma nigérien Tokunti qui s'est tenu du 21 au 23 décembre, axé sur la prévention et distribution numérique du patrimoine cinématographique africain. Pour le portrait du dimanche, nous partons à la découverte d'Abdul Hakim Ousmane, artiste et défenseur de la culture à Agadez. Et comme d'habitude, nous clôturerons avec du sport. Le festival à Tukunchi s'est déroulé du 21 au 23 décembre 2021 à Niamey. Il vise la professionnalisation des métiers du cinéma au Niger et en Afrique. On note une forte participation des jeunes dans cette sixième édition. Reportage de Hawa Moman. Le festival Tukunchi se veut un cadre de brassage culturel et une tribune pour la professionnalisation des métiers du cinéma au Niger et en Afrique. Environ une dizaine de pays sont représentés à cette sixième édition, une initiative de l'association des ciné-clubs et critiques du cinéma. Fahalidou, docteur en cinématographie et audiovisuel, directeur général du festival. Nous allons vers bien sûr les scolaires, la jeunesse, pour susciter en eux le désir d'embrasser la carrière cinématographique. Dans la salle, il n'y a que des jeunes. Donc c'est vraiment les motiver à travers les grands noms. Dans la trentaine de films retenus, il y a au moins une vingtaine qui sont réalisés par des jeunes. Des projections débats, des conférences thématiques, des formations en critique cinématographique et en production-réalisation sont réservés aux jeunes participants pour mieux les préparer à la relève. En témoignent Moussa Boukari Kanda et Zara Kore Maman. Moi, je suis très content d'avoir euh, assisté à ce festival. C'est des genres de festivals dont on n'a pas l'habitude d'inviter les étudiants tant que jeune, ça me motive. J'ai participé l'année passée. Ça va nous aider sur le terrain. La sixième édition du festival Tukunchi rend hommage au célèbre réalisateur Djingare Meiga qui a porté haut les couleurs euh, du Niger. Prévention de l'extrémisme violent et la consolidation de la paix. C'est le thème du forum organisé du 9 au 10 décembre 2021 par l'ONG Homme Environnement Développement Head Tamat à l'endroit des femmes et des jeunes. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale mise à mal avec l'insécurité de la sous-région. Anissé Karim pour le compte rendu. L'importance du thème de ce forum a permis de regrouper plusieurs dizaines de personnes dans la salle de réunion de la MJC. Les motifs de ce forum avec le président de l'ONG Tamad Manoa Gali. Le feu est à Tilaberi, est à Tawa, et il est en train d'arriver à Dosso. Donc c'est en train de remonter. Il s'agit de s'intéresser aux groupes les plus fragiles de notre euh, société, les femmes et les jeunes, parce que ces mouvements violents utilisent les jeunes et les femmes souvent pour pénétrer la société. Donc c'est pourquoi nous avons fait un focus sur les femmes et les jeunes pour renforcer la prévention, mais surtout la collaboration avec les forces de défense et de sécurité en matière d'information. Quel serait l'apport de la jeunesse d'Agadez dans cette lutte contre l'extrémisme violent Abdraman Koutata, président comité régional de la jeunesse. Notre rôle premier est celui de sensibiliser et d'appeler les jeunes à contribuer au développement et à la stabilité du pays. Et nous avons été beaucoup de caravanes à travers les départements et les communes de la région, au cours desquelles les jeunes de ces différentes communes et les départements se sont aussi engagés à sensibiliser leur paix. Mariama Amma, participante, femme leader, apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité et lance un appel aux femmes. Nous sommes la mère, nous sommes la petite sœur, la grande sœur et nous sommes encore la fille et la femme des FDS. On les soutient à 100%. Les images là qui se passent chaque fois sur les réseaux sociaux, ça nous met mal à l'aise en tant que mère. Une mère doit veiller sur l'éducation de son enfant, la fréquentation de son enfant. À la fin, les participants au forum ont formulé des recommandations à l'endroit de l'État et de ses partenaires. Dans la commune de Menesagwa, région de Difa, les jeunes ont initié une caravane de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, grâce à cette activité, les jeunes arrivent à sortir du silence et dénoncer les individus suspects. Le président du conseil communal de la jeunesse de Menasaroua, Aman Manlawal, explique au micro de Habib Garba. Par rapport aux années passées, je dirais qu'il y a une évolution aujourd'hui parce que les gens sont prêts à à fournir des renseignements en temps réel. Il y a une multitude d'actions qu'on a menées. Et rien qu'avant-hier, nous, avions fait une caravane de sensibilisation dans 10 villages du Maine, tout au long, n'est-ce pas, du Maine. Une caravane de coexistence pacifique et la gestion des conflits. Parce que c'est ce climat-là qui manque aux villageois. Ce climat de s'asseoir, de débattre de leurs préoccupations autour de leur chef du village. On vient les initier. Maintenant, c'est à eux, n'est-ce pas, de compléter. Donc on ne saura pas que véritablement si la chose a marché ou pas. Mais à travers leurs préoccupations, on essaie de résoudre. Il y a des choses qu'on pourrait résoudre dans l'immédiat. D'autres, il va falloir saisir les autorités, qu'elles soient des forces de l'ordre ou bien des autorités administratives. Tout de même, on crée les conditions pour qu'ils s'asseyent tout autour de leurs problèmes, de voir de manière commune comment s'en sortir, n'est-ce pas, face à leurs problèmes. Âgé de 31 ans, Hakim Ousmane est un jeune danseur de Tandé, une musique touareg. Il est également le chef d'un groupe appelé Innurnalher qui veut dire lumière de paix en tamashek. Faire la promotion de la culture de la région d'Agadez, c'est l'objectif qui Hakim et son groupe se sont fixés. Son portrait avec notre correspondant Moussa Maman. ses études secondaires, le jeune Hakim s'est vite lancé dans la chorégraphie des danse tendées, une tradition qu'il a su garder comme héritage avec ses parents. Depuis qu'on a quitté le collège, on a commencé avec euh, les chorégraphies. Donc c'est quelque chose que nous avons déjà hérité. Il y a nos parents qui nous parlent toujours euh, à l'époque des Samaria, à l'époque des festivals. J'ai eu l'idée de créer avec mes amis qui sont là les groupes euh, pour faire la promotion de la danse tendé qui s'étend à se disparaître. Amoureux de sa culture, les tendé, Hakim forme son propre groupe de danse de composé de 13 jeunes filles et garçons qu'il dirige depuis 2017. Aujourd'hui, Inoun Lalher est sollicité partout. On anime euh, lors des activités des fêtes euh, nationales telles que la fête tournante, euh, les kirs Ensuite, nous animons au niveau des mariages. Donc, il y a des baptêmes, la veille du baptême, on nous appelle pour animer. Quoi. Rissa Malam Idi, un jeune qui travaille depuis trois ans avec Hakim dans le groupe Inunalher témoigne sur les profits qu'il tire en tant que membre de ce groupe. Je travaille avec euh, Abdullah pendant maintenant trois ans. Ce groupe-là, depuis sa création, on gagne plus, plus de 100 000 francs des fois quand on fait une tonne Si à, l'occasion d'un mariage, les gens versent l'argent, on fait nos besoins avec. Aujourd'hui, Hakim et son groupe Inunalher ont contribué à la promotion et à la sauvegarde d'Itendé, une culture en voie de disparition dans la cité de la Bahia. Report ou annulation de la Cannes 2022. La FIFA met la pression à la Confédération africaine de football, la CAF. Le feuilleton de la Cannes continue. Réuni à Doha dimanche 19 décembre, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, s'est vu demander par le président de la FIFA, Gianni Infantino, de reporter sa compétition, la Cannes prévue le 9 janvier 2022 au Cameroun. Le patron du football mondial a avancé plusieurs arguments. L'incertitude concernant les infrastructures camerounaises la dégradation de la situation sanitaire, l'émergence du variant Omicron en Afrique australe ainsi que la réticence des clubs européens à libérer leurs joueurs en hiver. C'est ici que prend fin l'actu des jeunes de ce dimanche. Ça fait à la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter sur le 3 5 avec Eptel. Bye bye.